le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum du studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes disponibles également sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Année scolaire 2018 2019 au Niger, défis et perspectives au cours primaire. C'est la thématique du jour au cours de ce forum de studio Kalangou. En prélude à la rentrée scolaire du 1er octobre, dans un entretien accordé au Sahel dimanche du 28 septembre, le ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a indiqué que des dispositions ont été prises pour l'envoi des fournitures scolaires au niveau de toutes les régions. Le ministre a affirmé par ailleurs avoir procédé aux affectations interrégionales des enseignants, la création d'une centaine d'inspections dans le cadre du transfert des compétences et de la décentralisation où il a été prévu une inspection par commune en respectant les dispositions qui exigent un minimum de 30 écoles et entre 50 à 100 enseignants pour créer une inspection. Le ministre a d'autres par rencontrer tous les directeurs régionaux de l'éducation auxquels il a confié un certain nombre de tâches à exécuter avant la rentrée, sans oublier l'envoi des missions mixtes composées des agents du ministère de l'enseignement primaire, des associations actives dans le secteur de l'éducation, des syndicats dans toutes les régions du Niger, a précisé le ministre Daouda Mamadou Marté. Avec euh, nos invités, nous allons parler de ce qui est fait et à faire sur le terrain pour une bonne rentrée scolaire. asuman Mahamadou, secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. asuman Mahamadou, bonsoir. Bonsoir. Moukela Halidou, secrétaire général du syndicat des agents et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB. Moukela Halidou, bonsoir. Bonsoir. Et El Amadou Mahamadou, conseiller pédagogique et coordonnateur de l'Observatoire des performances de l'école nigérienne Open Niger. El Amadou Mahamadou, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, votre serviteur Mokhtar Hamadou. Asuman Mahamadou, dans quelles conditions s'est déroulée la rentrée scolaire 2018-2019 lundi 1er octobre Est-ce que les enseignants étaient à leur poste Donc, euh, comme indiqué, le 1er octobre, on était dans les écoles avec euh, l'ensemble des responsables qui ont la charge de l'éducation au Niger. Je vais parler du ministère de l'enseignement primaire, ministère des enseignements secondaires, ministère de la formation professionnelle et même du supérieur. Donc, on a fait le tour pour constater la présence des élèves, la présence des enseignants. Je peux vous affirmer que c'est vraiment un sentiment de joie, de satisfaction qui nous avait animés avec l'engouement qu'on avait trouvé sur le terrain. Les élèves comme les enseignants étaient au rendez-vous. Une manière de dire que le climat que nous avons observé sur le terrain nous présage une bonne rentrée scolaire et une bonne année scolaire. Sans vous couper, est-ce que le climat est partout la même sur toute l'étendue du territoire national Les échos vraiment qui nous sont parvenus à l'image de Niamey, un peu partout, c'est dans les mêmes conditions que la rentrée a eu lieu. À la fin de la journée, les différentes directions régionales nous ont fait le compte rendu par rapport à cette rentrée-là et nous ont affirmé que vraiment tout s'est bien déroulé, tout s'est passé dans les conditions souhaitées. Les enseignants étaient à leur poste, les fournitures ont été acheminées. Je crois que si vous avez suivi eh, les images à la télé, vous avez vu, les missions qui étaient dans les écoles en train de distribuer les fournitures scolaires. Donc une manière de dire que vraiment le minimum est garanti pour que vraiment l'année se passe normalement c'est que sur, euh, en matière de rentrée scolaire, vous savez que c'est un tout cohérent. On ne peut pas, dire le premier jour, euh, de manière euh, démesurée, dire que on a tout rassemblé sur le terrain. Mais j'ai dit que, en tout cas, les conditions étaient réunies pour que vraiment tout se passe, l'année scolaire se passe sans problème. Asuman Mahamadou, cette année, côté primaire, la rentrée scolaire 2018-2019 s'annonce avec des réformes initiées par le gouvernement. Où en sommes-nous avec celles déjà entamées l'année dernière, telles que l'évaluation des enseignants, le programme d'urgence, la question du redéploiement euh, Je vais commencer par les réformes, comme vous l'avez c'est de l'année passée, la question du programme d'urgence, qu'on n'appelle plus programme d'urgence, maintenant c'est un programme de mise à niveau. Parce que qui dit urgence dit euh, nous sommes en situation. OK Et euh, c'est une activité de rémédiation donc qu'on peut faire à tout moment. Ce qui a fait que euh, pendant la rentrée, on a réuni l'ensemble des directeurs régionaux, l'ensemble des DG des ENI pour essayer de revisiter ce programme-là, une manière de l'amender. Et on a euh, arrêté un contenu, des stratégies pour pouvoir le mettre en œuvre à partir du, de cette rentrée-là et durant trois mois. Et il aura la particularité de se pencher sur particulièrement l'enseignement des mathématiques et de la lecture-écriture. Donc à la date où je vous parle, tout est en train de rentrer de l'ordre pour que les enseignants commencent à le mettre en application pour trois mois. Et s'agissant de la question de redéploiement, vous savez que l'année passée, on a redéployé. Naturellement, euh, le nombre le plus important, c'était des femmes. Et à partir de Niamey, qu'on a envoyé dans les régions de Tilaveri, Dosso et Tawa. Et quelle est la raison pour laquelle on l'a fait C'est juste pour une utilisation rationnelle du personnel enseignant. Parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir que dans les centres urbains, c'est même pas à Niamey seulement, dans les gros centres, il y avait un moment de surnombre. Donc vous allez trouver euh, ailleurs, en milieu rural, il y a un besoin et que quelque part dans les centres de concentration, il y a des enseignants, deux ou trois par classe. Donc c'était pour euh, trouver une solution à cette gestion-là qui a eu le redéploiement. Et vous avez vu à la rentrée, quand on a fait le point, il y a certaines femmes redéployées qui ont été ramenées à côté de leurs maris, à côté de leurs enfants. Euh, s'agissant de cette année, comme vous avez dit, de vous parler de la question de redéploiement et du programme de mise à, niveau, j'ai dit ce n'est plus le programme d'urgence. Aussi, euh, nous avons pris un certain nombre de mesures, à commencer par la formation initiale au niveau des normales. Donc, nous avons relu le programme des ENI, une manière de l'amender. Et nous avons revu le programme d'enchaînement, c'est-à-dire les écoles normales, pratique, théorie, pratique, théorie, parce que dans le temps, chaque UF va aller en stage. UF. 1 C'est quoi IF Quand tu prends à l'école normale comme à l'école primaire, quand on sort, vous avez le cycle primaire. Vous avez du CIOCP, c'est le cycle, euh, comment on appelle ça là, 1. Hein? Vous avez CE1, CE2, c'est un autre sous-cycle. CM1, CM2, c'est un autre sous-cycle. Ah, donc, c'est des cycles. Donc, ah, c'est des cycles. Maintenant, quand vous rentrez à l'école normale, pour le stage pratique, vous commencez d'abord par ce premier sous-cycle-là. Vous l'observez. Après, vous repartez pour faire le cours théorique. Après, vous revenez, ainsi de suite. Donc cette année, on a dit que ah, quand il faut aller en stage, c'est l'ensemble des élèves maîtres qui doivent aller en stage pour observer de uf 1 jusqu'à uf 3 Une manière, quand ils ont observé, ils vont revenir maintenant prendre les cours théoriques. Et un autre changement, c'est la première année. La première année de les maintenant sera consacrée exclusivement à l'enseignement théorique. Maintenant, c'est à partir de la deuxième année que les enseignements pédagogiques se feront. Et autre chose, euh, nous allons mettre en place à partir de cette rentrée des écoles annexes. C'est-à-dire dans l'ensemble de chaque école normale du Niger, il y aura une école annexe, donc une sorte de laboratoire. Tout ce qui sera enseigné en classe, on va venir l'expérimenter dans cette école-là. Donc nous allons sélectionner vraiment des maîtres chevronnés, très expérimentés, qu'on allait placer dans ces écoles normales, une manière de créer les conditions pour que la théorie et la pratique arrivent à s'articuler sans problème. C'est une nouveauté. Je ne peux pas dire que c'est une nouveauté, mais c'est peut-être une formule qui va nous permettre d'améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Euh, une euh, autre innovation, nous avons élaboré des cahiers de charges pour les directeurs d'études de les économes. Parce que dans le temps, euh, même s'ils sont là, ils ont des attributions, elles ne sont pas bien élucidées dans un document pour dire que voilà ta tâche, voilà tes attributions, toi en tant que directeur d'études. Il y a les responsables de, stage. Là aussi, on leur a défini des cahiers de charges. Donc, tu connais ta mission désormais. Tu sais quel que je dois faire, moi, en tant que responsable de stage dans une école normale. Donc, tout ça là, c'est des aspects qu'on a essayé de revoir pour pouvoir améliorer la qualité des enseignements apprentissage au niveau des ennemis. Maintenant, s'agissant de la formation continue. Donc, là aussi, nous nous sommes retrouvés pour harmoniser les outils de suivi d'accompagnement pédagogique, que ce soit du directeur d'école, du conseil pédagogique ou de l'inspecteur lui-même. Donc une manière d'harmoniser, parce que dans le temps, vous partez d'une inspection à une autre ou d'une école à une autre, vous allez trouver des, des bulletins différents. Donc maintenant, on a essayé de stabiliser ça, d'harmoniser, et même chose pour le manuel d'accompagnement. Donc là, partout où vous allez, en tant qu'encadreur, vous allez trouver les mêmes outils. Donc c'est un peu ça les quelques réflexions qu'on a eu à faire pour pouvoir euh, vraiment chercher à avoir euh, la qualité au rendez-vous dans nos écoles. Est-ce que vous avez eu à faire euh, l'évaluation à mi-chemin de l'évaluation des enseignants Vous savez pourquoi l'évaluation a été faite, n'est-ce pas Après l'évaluation, toutes les mesures qu'on est en train de prendre, c'est pour pouvoir solutionner les problèmes détectés à travers euh, l'évaluation de ces enseignants contractuels Donc, donc, le premier aspect, c'est la formation, le renforcement des capacités des enseignants. Donc, euh, je vais revenir euh, sur ces mesures. Une manière de dire que, à partir de cette rentrée, va intervenir la formation à distance de la deuxième cohorte des directeurs d'école sur le professionnalisme, c'est-à-dire le leadership pédagogique et administratif. Donc, tout ça, là, c'est des aspects que l'évaluation nous a permis de ressortir que il faut vraiment, si nous voulons une école de qualité, il faut d'abord s'appuyer sur l'enseignant. Tant que vous n'avez pas un enseignant de qualité, vous n'aurez pas une formation de qualité. Même chose à travers euh, les enseignants contractuels. Là aussi, nous avons ce qu'on appelle la formation IFADEM, c'est la formation à distance des enseignants. Donc il y a eu déjà 6000 de formés. Cette année aussi, nous avons programmé, formé 1000 autres. Donc tout ça là dans le renforcement des capacités de nos enseignants. Halidou Moukaila, dans quelles conditions les enseignants du primaire ont effectué la rentrée scolaire 2018-2019 Merci euh, Mokhtar. Euh, je tiens <laughs> encore à féliciter le studio Klangou pour ses efforts, en tout cas parce que c'est le seul mécanisme pour que ceux qui ne sont pas à Niamey également puissent euh, être informés à travers vos relais à l'intérieur du pays. C'est une avancée importante dans le cadre de la diffusion de l'information rentrée scolaire 2018-2019, euh, je dois dire que nous l'avions en tant que partenaire du ministère de l'enseignement primaire, en tant que syndicat d'enseignants. Nous avons suivi la rentrée comme tout le monde parce que... Comme tout le monde, ça veut dire... Comme tout le, pour vous dire que c'est l'une des rares fois, sinon pour la première fois, que la rentrée a été effectuée sans pour autant que les syndicats d'enseignants ne puissent être associés à cette rentrée-là. Même si par ailleurs, on se rend compte que toutes les fois, c'est véritablement dans la capitale et dans les grandes régions, les grandes villes, que les tournées de constat de cette rentrée, euh, en tout cas, sont organisées. Mais ce que cette année, j'ai dit, nous n'avions pas été associés à cela. Ça, c'est une deuxième chose. Lorsqu'on parle de rentrée, je crois que il faut qu'on s'assure que toutes les conditions sont réunies pour l'effectivité d'une rentrée. La rentrée, c'est quoi La la rentrée, ce n'est pas seulement à Niamey ou dans les centres urbains. Quand on parle de rentrée, et je crois que dans les discours du ministre l'a dit, on parle du nombre total d'élèves qui doivent aller à l'école. Donc, on ne particularise pas pour dire ceux qui sont en ville ou ceux qui sont en bourse. Mais pourtant, la rentrée, à l'heure actuelle où je vous parle d'ailleurs, la rentrée ne peut être constatée que dans les grands centres, à l'intérieur du pays. On ne peut pas parler de rentrée pour trois raisons. La première raison, c'est que, nous l'avons toujours dit, nous sommes en octobre. Et vous savez que la saison n'est pas encore terminée. Vous je voulez parler Je ne parle pas des classes payotes. Je parle des élèves qui ne peuvent pas être sur le terrain en octobre. Parce que n'oublions pas que nous avons une réalité au Niger. Lorsque les travaux champêtres ne sont pas finis, les familles ne reviennent pas des champs, donc ils ne vont pas s'installer dans les villages. Et par conséquent, les élèves ne peuvent pas répondre à la rentrée. Donc ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est que on parle d'effectivité de rentrée. Alors que le 28 ou le 29 déjà, il y a eu des listes d'affectation qui sont sorties. Ceux qui sont affectés doivent regagner leur poste. Ils vont aller comment Parce que à la date du 3 où nous sommes, les pécules du mois d'août ne sont pas totalement épuisés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été payés à dans leur intégralité. Septembre, on n'en parle pas. Mais quelqu'un qui sort des vacances, qui n'a pas les moyens de se déplacer, il va aller sur son poste comment alors que lorsqu'il y a des affectations, le ministère a obligation, j'allais dire l'administration a obligation d'assurer le transport de ses enseignants. Depuis combien de temps le ministère ne prend plus en charge le déplacement des enseignants nouvellement affectés dans d'autres contrées Donc ça c'est l'autre handicap que nous avons eu. Mieux, quand on me parle de rentrée, Mokhtar, la rentrée se passe dans une école. La rentrée c'est à l'école. Dans les classes, on doit observer la présence des élèves, la présence des enseignants. Le matériel, je ne reviens pas là-dessus parce que, à, l'interview du ministre sur Dan Sahel dimanche, nous avions suivi également une autre interview dans laquelle il disait effectivement les commandes de cette année ne sont pas encore arrivées. Donc, c'est certainement que nous avons un, une réserve, un minimum pour commencer. Mais ce qui est sûr, la commande destinée à la rentrée 2018-2019, nous ne l'avons pas encore reçue vous avez été sur le terrain, vous avez effectué le constat. Nous ne sommes pas allés sur le terrain parce qu'on ne nous a pas invités sur le terrain. Mais n'oubliez pas que nous avons nos militants qui sont sur le terrain parce que nous sommes des syndicats d'enseignants. Les enseignants sont sur le terrain, donc tout ce qui se passe dans les établissements, nous sommes informés. De la même façon qu'il y a le relais de l'administration, de la base au niveau du ministère, nous avons également les mêmes relais qui partent de la base pour venir nous donner les informations par rapport à l'effectivité de la rentrée. Je disais tout à l'heure que la rentrée, ça se constate à l'école. Mais quand on prend le cas de Maradi, quand on prend le cas de Maradi, pour la toute première fois dans l'histoire, moi j'ai vu, en tout cas j'ai dit, où la rentrée a été organisée dans un stade J'arrive, s'il vous plaît. On est en train de parler de rentrée scolaire. des engagements vous plaît. avec les partenaires sociaux. Les engagements, c'est en une heure de temps ou deux heures de temps qu'on peut venir dans un stade prendre des engagements avec les partenaires. S'il vous plaît, il faut quand même qu'on respecte l'école publique nigérienne. le problème de l'école ne peut pas se régler au stade. Le stade est fait pour un ballon. On ne peut pas faire une, on ne peut pas constater l'effectivité d'une rentrée dans un stade. Ce n'est pas possible. Vous avez suivi avec nous à Maradi. C'est au stade qu'on a invité les enseignants, l'administration, les élèves, les parents d'élèves. Comment est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'effectivement il y a eu effectivité de rentrée lorsque c'est dans le stade que les gens se retrouvent Qui vous dit que tous ceux qui sont dans le stade sont des enseignants ou tous ceux qui sont dans le stade sont des scolaires À partir du stade, comment est-ce qu'on peut savoir qu'effectivement les fournitures sont disponibles à la rentrée Pour vous, la rentrée n'a pas été effective. S'il vous plaît, moi j'ai dit, il faut qu'on se rassure d'une chose les rentrées ont toujours été organisées par l'administration qui a le devoir et l'obligation de créer les conditions de l'effectivité de la rentrée. C'est vrai que nous n'avions pas été associés. Ça, c'est un point qui est là. Ce n'est pas grave. Mais la rentrée dont on parle, c'est pas cette année seulement. Durant des décennies, nous constatons qu'effectivement, la rentrée a toujours été une rentrée politique. On annonce parce que il y a des dettes auxquelles on doit aller à l'école. On annonce. Mais on ne crée pas les conditions en amont pour que, effectivement, au premier jour de la rentrée, que la rentrée puisse être effective. Toutes les mesures dont euh, avait parlé le secrétaire général adjoint du ministère tout à l'heure, c'est des questions qui devraient être réglées en amont. On ne devrait pas attendre la veille ou la rentrée pour pouvoir prendre certaines dispositions. il n'a pas dit que c'est la veille que la... Non, je n'ai pas dit. Je, je, innovation je, euh, s'il vous plaît. Mais les rencontres là, le ministre nous a rencontrés en tant que syndicat pour parler de la, des transferts de compétences. Ça s'est passé quand Il y a eu des missions à l'intérieur du pays ce que je suis en train de dire, lorsqu'on prend des mesures, il faut s'assurer qu'on les crée ou on les prend de telle manière que le jour où on doit constater que ces mesures, par exemple, je vous prends l'exemple, j'ouvre une parenthèse. Euh, euh, rapidement, rapidement. Rapidement. Lorsque le maire, le, délégué spécial de Niamey a pris l'arrêté pour exiger le port de ceinture de sécurité de arrive. Ça, c'est nord sujet. C'est ce que j'ai dit. C'est juste pour dire que on n'a pas attendu le premier et pourtant le premier, on a fait le constat pour voir que ça a été effectif. Donc, pour dire qu'en réalité, on doit créer les conditions en amont pour pouvoir prendre les dispositions et les mettre en application. La rentrée 2018-2019, je l'ai dit, ça ne se dédouane pas des autres rentrées. La rentrée, elle est purement politique. parce que les conditions ne sont pas créées. J'ai dit, lorsque l'enseignant n'a pas les minimum pour regagner son poste, mais vous parlez de quelle rentrée alors Moukele Halidou, quels sont les défis de cette année scolaire dans les primaires Vous savez, les défis qu'il y a, c'est créer les conditions de la stabilité de l'école publique nigérienne. L'école publique nigérienne n'est pas stable. Elle n'est pas stable. Elle n'est pas stable pour plusieurs facteurs. D'abord, il faut qu'il y ait un partenariat sincère entre l'administration et les partenaires. Les partenaires sociaux, je vais dire. Ça, c'est une deuxième chose. C'est que pour que l'année puisse être une année normale, il faut d'abord régler en amont, tout à l'heure le secrétaire l'a dit. Il faut investir de l'enseignant, créer les conditions pour mettre les enseignants de leurs droits. Mettons les enseignants de leur droits et on verra bien de quelle qualité on cherche. La qualité de l'enseignement là, ce n'est pas la recherche de beaucoup de documentation. Donner les, aux enseignants les moyens nécessaires pour faire le travail, ils le feront. On met aujourd'hui l'enseignant au centre de l'école nigérienne. Deuxième chose, il faut quand même qu'on accepte que l'école n'est pas un lieu politique. Il faut dépolitiser le système éducatif nigérien. Il faut le faire. Les réformes en réforme on n'évalue pas les réformes. Vous avez parlé tout à l'heure en introduction qu'il y a eu des réformes en 2018, il y a eu des réformes en 2017, il y en a eu en 2016, il y en a eu, il y en a eu. Mais toutes ces réformes-là n'ont jamais été évaluées pour voir là où il y a eu véritablement d'avancées et là où on doit corriger. Chaque année, c'est des nouvelles réformes qu'on amène. On prend l'exemple la, la, suppression du CFPD. Jusqu'aujourd'hui, on nous a pas dit voilà les dégâts qu'on a eus lorsqu'il y avait cet examen-là et voilà les avancées qu'on a eues aujourd'hui quand on a supprimé. Parce que quand on fait une innovation, il faut quand même qu'on accepte de s'asseoir pour dire voilà ce que par la suite nous avons pu constater et voilà là où nous avons eu raison. Ce n'est pas fini. Vous avez parlé de transfert de compétences. Non, non, non, on va aborder dans la deuxième partie. Alaji Amadou Mahamadou, rappelez-nous le rôle et la mission de votre association, l'Observatoire des performances de l'école nigérienne Open Niger. C'est d'apporter notre contribution par la recherche-action à l'amélioration de la qualité des enseignements et précisément également contribuer à l'atteinte des objectifs euh, de l'éducation pour tous. Donc euh, les éléments qui nous intéressent, c'est surtout les, les éléments d'inclusivité, les éléments du genre euh, et euh, naturellement d'autres axes concomitants qui concourent en fait à rendre effective l'éducation dans notre pays. Alagi Amadou Mohamadou, ça fait plusieurs années que votre association milite pour une école de qualité au Niger. Quels sont les aspects significatifs que vous avez pu engranger Je pense que Rien que ce que le SG du ministère vient de dire en ce qui concerne les réformes, ça entre en fait dans euh, toutes les alertes sur lesquelles nous avions eu attiré de façon à ce que euh, les autorités en place puissent prendre en charge un certain nombre de réformes pour faire évoluer euh, la question de l'éducation dans notre pays. Je pense également que ce que le secrétaire général Halud vient de dire également cadre parfaitement avec le travail que nous faisons parce que nous nous estimons qu'en tant que société civile active en éducation, il s'agit essentiellement pour nous de faire en sorte que et les ministères et les enseignants, et les scolaires, et les parents d'élèves, et bien naturellement vous-même, en tant que média, vous puissiez contribuer à faire avancer la question de l'école dans notre pays. Tout acte positif que vous posez, nous considérons que euh, nous le mettons à notre actif parce que euh, toutes les interpellations que nous faisons vont dans ce sens. Alagi Amadou Mahamadou, euh, quelle est votre lecture au sujet de la rentrée scolaire 2018-2019 la lecture que nous avons, c'est euh, de retourner à la loi sur l'orientation du système éducatif nigérien. Vous ne pouvez rien faire. La Lausanne, vous La Lausanne. Vous ne pouvez rien faire quand vous mettez de côté cette loi, puisque c'est elle qui nous autorise à faire tout ce que nous faisons. Que ce soit l'État, que ce soit les syndicats, que ce soit la société civile, les parents, les élèves et toute la communauté nationale. Donc, la loi, à son article 36, elle nous dit que quand vous prenez du préscolaire jusqu'à l'enseignement moyen, vous avez 36 semaines dans l'année scolaire. 36 semaines qui sont intercalées par deux congés Noël et Pâques, plus la troisième grande euh, période de vacances, c'est les trois mois qui viennent de, de s'achever. Voilà en fait ce que nous dit la loi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le gouvernement a le devoir impérieux, régalien, de faire en sorte qu'il y ait 36 semaines d'enseignement, apprentissage au Niger. Que la rentrée est commencer le 1er octobre ou qu'elle ait commencé à n'importe quel moment, il faudra tenir compte du fait qu'il y a 36 semaines à, observer. Un. Deuxièmement, la rentrée, c'est comme euh, quand vous venez au football. On met le ballon au centre, on a les deux capitaines ou je ne sais, les deux grands euh, footballeurs qui se font face. Mais il faut que quelqu'un dise à un moment X pour que on commence à jouer le ballon. L'arbitre. Voilà. Et je pense que le rôle régalien également de l'État, c'est qu'à un moment donné, le 1er octobre, le 2, le 3, le 10, le 15 septembre, il faut qu'à un moment donné, l'État dise c'est parti. Et c'est parti là. C'est ça la rentrée. C'est une journée, vous voyez, hein, c'est une journée et elle, elle semble prendre plus d'importance que 36 semaines. Et aujourd'hui, tous les débats sont focalisés sur la rentrée, sur la rentrée, la rentrée. Nous, société civile, les syndicats, les parents d'élèves, les scolaires, personne ne peut venir dire que le 1er octobre, c'est la rentrée. Tant que l'État n'a pas fixé la rentrée. Donc, vous voyez, ça, c'est leur rôle. Je vois un peu souvent que les, les représentants des ministères, que les ministères les secrétaires généraux sont souvent gênés on leur dise que la rentrée, est politique. Mais elle ne peut être que politique, pour la simple raison que toutes les conditions ne peuvent pas, toutes les conditions optimum, hein. c'est-à-dire dans les meilleurs des cas, vous ne pouvez pas réunir toutes les conditions pour avoir une rentrée scolaire. Il faut la faire, qu'elle soit politique ou qu'elle soit quoi qu'elle soit, qu'elle soit blanche, rouge, jaune, il faut en tout cas la faire d'abord pour que nous soyons rassurés qu'au moins cette année, il y aura école. Maintenant, le plus important pour nous, c'est de voir qu'on a allumé, sincèrement, même ce matin, en venant par là. J'avais peut-être mes enfants en voiture, mais j'ai rencontré énormément de petits-enfants. Honnêtement, wallahi, quand je les voyais, façon, ils sont contents. Ils avaient la main comme ça, là, je me disais qu'il y a une pièce dedans. Sincèrement. Et l'habit que la jeune fille, la petite fille portait, bon, je me dis que c'est bon prix. Mais elle était heureuse d'aller à l'école. On a allumé en elle un espoir. Monsieur le SG, jusqu'au ministre, jusqu'au président de la République, vous n'avez pas le droit d'éteindre cette flamme, cet espoir. SG, non, je n'ai pas fini. Je reviens au SG. Rapidement. Oui, le SG également n'a pas le droit d'éteindre cette flamme. Moi, en tout cas, que j'ai senti voir dans le regard de cette petite fille eh, qui était à pied, qui, qui, était heureuse d'aller quand même à l'école, pendant que la plupart d'entre nous, nos enfants, ont mieux encore. Mais eux, vous les interpeller J'interpelle, oui, et j'interpelle, c'est la communauté nationale si nous, si nous échouons par rapport à l'éducation de nos enfants, sincèrement, nous, aurons tout, tout, tout, tout, absolument tout perdu. N'oubliez jamais que dans ce pays, on a ouvert des concours pour le recrutement d'agents. Quand on voulait faire euh, la raffinerie, là, on n'a pas eu un Nigérien qui a étudié dans le pétrole. On a ouvert, on a formé, on a réouvert. Il n'y a pas un Nigérien qui a postulé parce que personne n'a fait d'études là-bas. On est obligé d'aller prendre des expatriés. Et si nous continuons comme ça, un jour, c'est la présidence du Niger, on va ouvrir pour dire que qui veut venir être président du Niger parce que chez nous, il n'y a plus, on n'a pas pu assurer une éducation de qualité pour tout le monde. Asuman Mahamadou, vous avez quelque chose à ajouter rapidement je vais revenir hein, par rapport à l'intervention des collègues ici présents sur la table pour rappeler que la rentrée scolaire, c'est un événement. Donc, euh, le fait que à Maradi, comme l'a dit le SG Halidou, ça s'est passé au stade, moi je pense que le lancement, on peut le faire n'importe où. Il faut qu'il y ait l'aspect festif, comme Al-Haji l'a dit. Pour les enfants, c'est un fait très marquant dans la vie. Le premier jour de la rentrée, il n'est pas comparable aux autres jours. Vous allez voir, le petit enfant va chercher son meilleur complet. Le matin, il va se réveiller à 5h, à 6h du matin pour chercher à ce qu'on le conduise à l'école. Donc, une manière de dire qu'après les trois mois de vacances, il va retrouver ses amis, il sera content, c'est la joie, c'est la fête. Donc, moi, je pense que ce n'est pas un problème. C'est un travail, c'est un déclic. Ça a commencé le premier jour, le 1er octobre. Et vous allez voir, d'une école à une autre, dans une école, peut-être c'est au troisième jour que les cours vont commencer. Parce qu'après la rentrée, maintenant les activités vont démarrer. C'est le conseil des maîtres, c'est la répartition des classes, ainsi de suite. Et dans d'autres contrées, il a dit, nous sommes au Niger. Nous avons comme principale activité l'agriculture et l'élevage. Pour revenir par rapport à la question du temps scolaire que Halid avait soulevé. Ça, c'est une réalité. Nous savons au Niger, il y a des contrées, quand vous partez, c'est de manière hâtive qu'on quitte les écoles. Parce que dès que la pluie commence à tomber, les gens déménagent pour aller dans les hameaux de culture. Et à la rentrée, ils ne reviennent quand les parents ont engrangé ce qu'ils ont récolté de leur champ. Donc ça, c'est vraiment des, des réalités qui sont là. Nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure nous allons essayer de régler tout ça là pour que le volume horaire que l'élève doit avoir comme temps d'enseignement qu'il arrive à les faire sans problème. Parce que un programme, ça a un temps, c'est neuf mois. Et nous avons vu que ce soit les élèves qui viennent en retard, que ce soit les enseignants qui perdent deux semaines ou trois, quatre, cinq jours à la recherche des pécules, nous sommes en train de voir dans quelle mesure on va essayer de voir comment rapprocher le centre de paiement de l'enseignant pour que quand il va toucher son pécule, là, il ne va pas perdre énormément de temps. Donc là, vraiment, c'est des aspects très importants. Nous sommes là, l'école nous appartient tous. Il n'y a pas à être syndicaliste ou à être de la société civile. Notre intérêt, c'est pour que l'école nigérienne et nous sommes prêts. Nos portes sont vraiment grandement ouvertes. Tout celui qui a un quelconque apport à amener pour que l'école soit une école de qualité, Vraiment, nous sommes à l'écoute, il n'a qu'à venir, on va échanger et on va trouver la formule la plus adéquate, la plus appropriée pour que nos enfants vraiment étudient dans de bonnes conditions. Alors, a soulevé cette question des problèmes de cadre. Il y va de soi. Quand vous n'avez pas étudié dans un domaine, à un moment, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas intéressant pour le pays. Si aujourd'hui, il y a un moment où les Nigériens disent que comment on produit du pétrole et qu'on vend cher le pétrole au Niger, il va de soi. Parce que à un moment, les Niger n'avaient pas pensé à envoyer ses enfants à l'école pour qu'ils étudient cet aspect-là. Et aujourd'hui, c'est des Chinois, on a fait appel. C'est comme un, euh, un, travailleur que tu utilises dans ton champ, tu ne sais pas labourer, il fait son prix, tu es obligé de prendre ça. Mais je pense que l'État a pris, est en train de prendre euh, des mesures pour que les écoles nigériennes, euh, les élèves nigériens arrivent à étudier dans toutes les filières pour que nous nous prenions en charge. En début d'année, le gouvernement a adopté le plan de transfert de compétences et des ressources de l'État aux communes et aux régions pour la période 2018-2021 dans certains secteurs prioritaires dont celui de l'éducation. Selon toujours le ministre de l'enseignement primaire, euh, toujours dans le Sahel dimanche, ce transfert est l'expression d'une volonté politique forte des autorités dans le cadre de la décentralisation, une sorte de partage de responsabilités entre gère et l'administration de façon qu'il y ait un bon fonctionnement et suivi du système éducatif. Asuman Mahamadou, dans la pratique, comment cela va se faire Que faut-il comprendre dans ce transfert Le transfert de compétences, comme le ministre l'a dit, hein, c'est vraiment une euh, volonté politique du gouvernement de la 7e République. Donc, euh, vous avez souvenir, c'est en janvier qu'il y a eu en Conseil des ministres un décret qui a adopté le plan de transfert de ces compétences euh, aux mairies. Depuis, le ministère s'était attelé à ce que, euh, à partir de la rentrée 2018-2019, que ce transfert ait lieu. Ce qui nous a amené pendant les vacances à créer une centaine d'inspections. Parce que notre objectif, c'est diriger chaque commune en inspection. Qu'est-ce que ça veut dire C'est rapprocher l'enseignant de la mairie. Parce que dans le temps, euh, vous n'êtes pas sans savoir, vous avez des inspections où un inspecteur se trouve à cheval sur 5, 6, 7 communes, voire deux départements. Donc, ce n'est pas facile, quelle qu'en soit sa volonté, quels qu'en soient les moyens qu'on a mis à sa disposition, quelque part, je crois que son travail sera limité. Et aujourd'hui, nous savons que le maire est élu, donc il est de la localité. C'est lui qui connaît le problème de sa localité. Un enseignant peut s'absenter ici et maintenant, il est informé, n'est-ce pas S'il y a des dispositions à prendre au niveau local, il va les prendre. Donc, il n'y a rien de nouveau. C'est peut-être la responsabilité du maire qu'on a essayé de renforcer. Les inspecteurs pédagogiques sont là. Les inspecteurs sont là, ils vont jouer le même rôle de technicien qu'ils ont l'habitude de jouer. Même par le passé, qu'est-ce qui se passe Par exemple, je prends le seul aspect, le volet affectation c'est le préfet qui signe une décision sur proposition de l'inspecteur. Maintenant, le changement, c'est que l'inspecteur va proposer euh, la décision, le projet de décision d'affectation, il va la soumettre à la signature du maire, c'est tout. Hein. Donc, il était bien avant aussi un conseil du, du, maire. Parce que dans le temps, les inspecteurs, là où euh, il y a des mairies à côté, l'inspecteur a toujours travaillé en collaboration étroite avec le maire et avec le préfet. Donc là, vraiment, comme j'ai eu à le dire, c'est juste une responsabilité, la responsabilité de manière apparente du maire qu'on a essayé de mettre en exergue. Assoumane Mahamadou, dans ce sens, un appel a été lancé à tous les enseignants pour la création de comptes bancaires. Quelle alternative pour les enseignants des localités sans banque euh, vraiment, c'est une bonne chose parce que tout à l'heure, je disais par rapport à la question des temps scolaires, vous allez voir des enseignants qui sont, par rapport à leur lieu de travail, très éloignés par rapport au centre de paiement, là où se trouve le, le trésorier départemental. Donc là, euh, vraiment, c'est une question qui nous tenait à cœur. Comment rapprocher l'enseignant de son centre de paiement Et aujourd'hui, nous sommes euh, vraiment en parler en négociation avec des agences telles que al telles que Nita et pour pouvoir euh, prendre ce dossier en charge, c'est-à-dire là où il n'y a pas de banque. Parce que nous, notre objectif, c'est vraiment aligner tous nos enseignants dans ces centres de paiement pour que, au même titre que le titulaire, à la fin du mois, on paye le titulaire, l'enseignant contractuel aussi va trouver son salaire. Asman Mahamadou, en principe, tous les enseignants contractuels ont signé de nouveaux contrats à partir du 1er octobre 2018 euh, qui les rattachent à la mairie. L'information est-elle exacte euh, Si oui, euh, ne craignez-vous pas que cela soit perçu comme un moyen de pression ou de promotion des enseignants qui ont un pied la politique. Il ne faut pas avoir euh, cette lecture parce que d'ailleurs la signature du contrat, je vais préciser, ce n'est pas le même jour. Hein. C'est un processus, ça peut aller jusqu'à décembre. Donc ce n'est pas, il ne faut pas que les gens pensent que c'est l'occasion de venir s'entasser dans des gros centres pour dire que je suis venu signer le contrat. Non, c'est vraiment un processus. Là-bas, l'inspecteur va s'organiser avec le maire pour voir euh, de telle date à telle date, voilà, c'est telle école qui est concernée. Et question de politique, ça vraiment, il faut vous rassurer que nous y veillerons. OK Donc, un enseignant, il est parti pour une mission bien déterminée. C'est cette mission qu'il va faire. Et le maire, on ne va pas créer les conditions pour qu'il ait une certaine emprise sur les enseignants pour faire ce qu'il veut. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que j'ai entendu quelque part, on dit que maintenant c'est l'occasion pour les maires euh, de trier parents, amis aux connaissances pour les placer là. Que ça, nous y veillerons et ce n'est pas de ça qu'il s'agit, Inch'Allah. Alidou Moukaila, quelle est votre lecture de la chose au sujet du processus de transfert de compétences et de ressources Lorsque l'annonce a été faite, c'était d'ailleurs en 2000 en 2016, hein, euh, juin 2016, nous avions alerté et nous avons dit, et nous sommes encore sur notre position, l'école publique nigérienne aujourd'hui n'est pas encore prête à être dans ce transfert de compétences. Nous ne disons pas que le transfert est illégal, non, c'est conditionnel, la Constitution a prévu. Il y a des prévisions qui ont été faites pour les transferts de compétences, mais j'ai dit, à l'heure actuelle, nous avons des difficultés sérieuses qui ne nous permettent pas d'aller vers ces transferts. Mais soit, puisque le gouvernement a décidé, il a opté pour faire ce transfert-là. Euh, moi, j'apprécie beaucoup aujourd'hui l'intervention du secrétaire général adjoint qui qui est inspecteur de l'enseignement primaire, qui d'ailleurs était sur le terrain et qui faisait partie des meilleurs inspecteurs que nous avons détectés. Et il sait très bien dans quelles conditions les inspections au Niger ont fonctionné et continue à fonctionner. On vient de créer des nouvelles inspections dans toutes les communes, alors que les anciennes inspections qui existent ont des problèmes de fonctionnement. On crée des nouvelles inspections, on crée des nouveaux secteurs pédagogiques, alors que nous n'avons pas suffisamment de conseils pédagogiques pour couvrir tous les secteurs qui ont été créés. Nous n'en avons pas. Ça, c'est un deuxième chose, problème que nous avons par rapport à cette question de transfert de compétences. C'est que nous sommes au Niger. Tout à l'heure, le secrétaire général dit qu'ils vont veiller à ce que les maires ne puissent pas avoir d'emprise sur la gestion. J'ai dit que nous avons une interrogation là-dessus parce que des les maires aujourd'hui disent qu'ils sont les responsables des enseignants au niveau décentralisé. Je vous l'ai dit, voyez-vous que nous avons un problème de conflit de texte de conflit de texte. On fait signer des nouveaux contrats. Et on oublie que déjà, les contractuels sont régis par le statut général de la fonction publique. Les contrats qui doivent être créés, la fonction publique a défini les mécanismes et les types de contrats auxquels on doit soumettre les enseignants là. Même au ministère, il y a beaucoup de responsables qui ne maîtrisent pas les dispositions du statut de la fonction publique. Malheureusement, beaucoup, j'ai dit. Et lorsque on nous dit qu'on ne peut pas, et ils vont veiller pour que la politique, mais lorsqu'au ministère même, Juste moi, je vous prends un exemple. J'ai vu une de nos camarades juste parce que elle a fait une publication pour festiger un certain nombre de comportements au niveau de la DRH. Elle est à Dosson, on l'a affectée à Zender. À Zender, on dit non, non, elle ne peut pas rester à Zender. On l'envoie à Gouré. À Gouré, on dit non, non, elle ne peut pas rester. Elle va à Tesker. Juste à cause d'une publication parce qu'elle a donné son avis par rapport à un fait qui se passe. Donc lorsqu'on nous dit qu'on peut dédouaner ou qu'on peut aller au-dessus de la politique par rapport à cette question des transferts, nous, avons beaucoup de réserves sur cette question. Donc pour dire qu'en réalité, ce n'est pas parce que nous sommes contre les transferts de compétences, mais ce que Aujourd'hui, les conditions n'ont pas été créées pour préparer l'administration en tant que l'administration même n'a pas été préparée pour ce transfert de compétences. On renvoie, on transfère pour les communes. Les communes aujourd'hui ne sont plus légales. Vous savez que les communes, toutes les communes au Niger sont en dépassement de mandat. Tous les maires sont en dépassement de mandat. On est en train de proroger leur mandat. D'accord. Il y a des délégations spéciales. J'allais en venir à ça. Mm. Lorsque tout à l'heure le secrétaire général dit que c'est des maires élus qui, ont, qui connaissent, mais il y a des maires nommés. Tous les maires ne sont pas élus. Aujourd'hui, on est en train d'aller à des révocations des maires. Lorsqu'on révoque des maires, pour mauvaise gestion. Les maires qui gèrent juste des, maigres moyens, juste une, portion de la commune. En tout cas, toutes les révocations que moi j'ai suivies à la télé, à partir des conseils des ministres, c'est pour mauvaise gestion. C'est pour mauvaise gestion et ce n'est pas fini. Lorsque toutes les inspections vont finir là, vous allez constater que sur 90% des maires ou même des, des, des conseils seront dissous ou les maires seront révoqués. Mais alors, lorsque déjà c'est un problème de gestion là-bas et lorsqu'on pense que c'est eux qui doivent gérer aujourd'hui les enseignants, on a des problèmes. Le transfert de compétences ne se limite pas seulement aux, à l'éducation. Le décret qui a été pris, c'est trois secteurs qui sont concernés. Lorsqu'on donne toute cette responsabilité aux communes, c'est un problème. Mais tout à l'heure, le secrétaire a dit quelque chose de très intéressant. Lorsqu'il dit que l'instructeur fait une proposition et il envoie au maire qui doit signer. C'est le maire qui signe. Les, on prend par exemple les affectations. Donc on ne donne pas la responsabilité à l'instructeur de les faire. Mais quand je parle de conflit de texte, l'inspecteur qui ne peut pas affecter, qui fait juste une proposition qui envoie au maire ou au préfet pour prendre une décision d'affectation, c'est cet inspecteur qui a la capacité de pouvoir résilier le contrat d'un enseignant. Nous en avons vu des inspecteurs qui prennent des décisions de résiliation de contrat. Lorsque quelqu'un ne peut pas affecter, mais il a la capacité de renvoyer quelqu'un de son travail, c'est un conflit. Voyez-vous que cette question de transfert, c'est la même chose et c'est la même précipitation de l'évaluation qui a été organisée. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous prouve que tous ceux qui ont été renvoyés du secteur de l'éducation ne sont pas bons. Qui vous dit que ceux qui sont sur le terrain sont encore meilleurs que ceux-là qui ont été renvoyés Nous avons toujours dit au gouvernement, c'est nos partenaires, c'est le ministère, nous avons dit, lorsqu'il y a des réformes, venez vous asseoir appelez les techniciens de vos ministères, appelez vos partenaires, venez, parce qu'il y a des réalités que le ministère ne peut pas connaître. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, le SGA a reconnu qu'effectivement, selon des zones, la rentrée ne peut pas être effective surtout. Mais pourtant, l'année passée, ici, nous avons fait ce même débat. Le représentant du ministère nous a dit que non, non, la rentrée a été effective à l'échelle nationale. Donc, pour dire que chacun a sa vision, chacun a sa lecture. Le défi que nous avons de, de l'éducation, que les partenaires viennent s'asseoir. Nous avons des problèmes. L'école, là, ça n'appartient pas seulement au ministère, ça n'appartient pas aux syndicats, ça n'appartient pas aux association euh, active en éducation. C'est un bien national. La question de l'école est nationale. Il y a eu un forum qui a été organisé. Si les conclusions de ce forum-là ont été mises en application, le système éducatif, en cas nigérien, ne peut pas être dans, les, la situation actuelle que nous sommes en train de vivre. Donc pour nous, c'est une adresse que je fais à l'endroit du secrétaire général euh, adjoint qui est là. Certainement qu'il va transmettre au ministre. Et créer les conditions de reprise de dialogue. Tant qu'il n'y a pas de dialogue sérieux, l'année scolaire 2018-2019 ne peut pas être stable. Et que l'année n'est pas stable, qui perd c'est le Niger qui perd. Wallah, l'école là, elle est à terre, complètement à terre. Et c'est à nous. Parce que dans tous les cas, qu'on le fasse aujourd'hui ou pas, un jour, on va dire c'est autant de telle personne ou telle personne que l'école a été complètement liquide. Alaji Amadou, quels sont les chantiers sur lesquels vous attendez le plus l'État nigérien et ses partenaires pour relever les défis de la qualité de l'éducation Je commence par là où a fini euh, mon camarade Halidou, c'est euh, vraiment la mise en place d'un dialogue franc et constructif pour le secteur. L'école nigérienne en a besoin. Et nous-mêmes, en tant que Nigériens, entre nous, nous en avons besoin. Que nous puissions savoir que vraiment nos responsables, qu'ils soient syndicaux ou politiques ou administratifs, ils peuvent se retrouver prendre des décisions qui vaillent la peine d'être prises pour notre euh, éducation, ça rassure tout le monde. Ça, c'est le premier niveau. Second niveau, et c'est vraiment le défi, c'est le défi de l'évaluation dans notre secteur. Tout à l'heure, Ali l'a évoqué. On a supprimé le, CFEPD, on l'a remplacé par un dispositif d'évaluation continue. Moi, honnêtement, je fais partie de ceux qui continuent à croire que le CFEPD doit être supprimé. Il doit être remplacé par autre chose. Je ne donnerai pas les raisons ici. Donc je soutiens cela, mais je suis certain que nous devrons faire, mettre en place un dispositif qui puisse suivre et évaluer ce que vaut le dispositif qui est en place, de façon à pouvoir apporter les remédiations à tous les niveaux et à tous les moments possibles. Quand je viens au, BEPC, au BAC, e le BEPC, commençons par là, L'année dernière, vous connaissez les résultats que le Niger a obtenus. Ça n'a pas interpellé, à mon sens, le tas. Le gouvernement n'a pas dans le budget 2019, euh, des efforts ont été concentrés... Mais écoutez, même avant-hier, même avant-hier, le secrétaire général euh, du ministère des enseignements secondaires, à, l'occasion euh, de l'université d'été de son parti, a évoqué cette question plus en termes de, de coût. Si nous savons que l'examen coûte cher, mais remplaçons-le par autre chose. Je vous dis qu'en France, le débat est encore là par rapport au bac. La France est en train de voir comment faire en sorte que les notes des classes que les enfants obtiennent pendant toute l'année scolaire puissent être comptabilisées aussi dans le cadre du bac. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'au Niger où on refuse d'avancer, où il n'y a qu'au Niger où on ne veut pas créer notre propre pour nous-mêmes, pour nos enfants. On ne veut rien créer. On veut toujours prendre pour les autres. Et quand on prend pour les autres, on croit toujours que ça vaut mieux encore. Aujourd'hui, ah non, non, non. Allez-y, allez-y, ah allez rapidement. Par rapport au CFPD, il y a toujours qui vont vous dire que le CFPD, c'est bon. C'est bon par rapport à quoi Donc vous voyez, parce que juste, c'est le blanc qui a introduit le CFPD, on continue à croire que c'est bon, alors que nous avons la possibilité de, de mettre en place notre propre système d'évaluation de notre enseignement. C'est après le BPC que dans nos directions, on nous a demandé de venir nous asseoir, on nous amène les sujets et on nous dit de voir, euh, on nous pose un certain nombre de questions. Donc, par exemple, est-ce qu'il y a cohérence entre les sujets qui sont donnés aux élèves et les programmes scolaires. Je suis conseiller pédagogique en français et je vous jure, il n'y a pas de, de, dissertation au programme de troisième. On a évalué les enfants avec dissertation. La dictée question qui a été remplacée par un autre mécanisme, ce dispositif n'a pas été remplacé et respecté de bout en bout. C'est-à-dire que c'est après l'échec de 80% des enfants du Niger qu'on nous demande, nous, en tant que techniciens, de dire si c'est bon les sujets qui ont été proposés aux élèves. Et dans toutes les disciplines, il a été démontré que c'était mauvais. Je ne suis pas sûr que BPC prochain, on va prendre des dispositions. Le bac, vous savez ce qui s'est passé. Moi, je continue à croire que l'université aujourd'hui où les anciens chercheurs ne sont plus, après ce qui s'est passé, rien que cette année où des morts sont admis, ils ne sont plus euh, habilités à nous démontrer qu'ils ont les capacités d'organiser le bac qu'ils sont meilleurs que les enseignants du secondaire qui passent, qui triment pendant trois années pour amener un enfant en classe de terminale, pour l'amener au bac et qu'on dise en ce moment qu'eux, ils sont disqualifiés. Et qu'est-ce que nous allons dire de ce qui s'est passé rien que cette année par rapport au baccalauréat Il faut que nous posions, il faut que vous et l'État aussi, Monsieur le secrétaire général, donnez-nous l'opportunité de poser les vrais problèmes de notre école. Il ne faudra l'école là, comme elle nous appartient là, il faut que tout le monde accepte que on fasse le débat clairement. Parce que nos enfants qui échouent au bac, nos enfants qui échouent au BPC, pas par leur faute, par la faute des autres, par la faute de ceux qui sont censés prendre les décisions. Ça là, je pense que même devant Dieu, le problème va, revenir. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir euh, Asuman Mahamadou, secrétaire général adjoint du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Moukela Halidou, secrétaire général du syndicat national des agents et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEP. Et LH Amadou Mahamadou, conseiller pédagogique et coordonnateur de l'Observatoire des personnes Performance de l'école nigérienne Open Niger. Merci à nos invités et merci à vous tous pour votre fidélité au programme du studio qui vous parvient grâce à nos 34 radios partenaires. Merci, au revoir.